Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou l'émission qui vous permet de trouver des éléments de réponse aux questions que vous vous posez au quotidien. Quel progrès dans la lutte contre la lèpre au Niger est notre thème de ce soir, défini par les spécialistes de la santé comme étant une maladie infectieuse chronique curable qui provoque essentiellement des lésions cutanées et nerveuses. La lèpre est causée par une infection qui affecte principalement la peau, les yeux, le nez et les nerfs périphériques. Une maladie infectieuse chronique provoquée par une bactérie qui peut créer des infirmités graves lorsque la personne atteinte n'est pas vite soignée. Malgré l'existence d'un traitement efficace, de nouveaux cas de lèpre sont enregistrés chaque année. En 2019, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 202 256 nouveaux cas de lèpre ont été enregistrés dans le monde, soit un nouveau cas toutes les 5 secondes. Au Niger, selon le programme national de lutte contre la lèpre, la prévalence de cette maladie dans les centres de santé du pays est passée de 6308 malade en traitement à la date du 31 décembre 1993 à 277 en 2020. Dans la première partie de ce forum, nous irons à la découverte de cette maladie et la seconde partie s'apaisantira sur les progrès réalisés et les défis qui restent à relever pour son élimination au Niger. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Dr Gado Moussa. Il est dermatologue coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre au Niger. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Notre deuxième invité est M. Abdelaziz Haruna. Il est le vice-président de l'association nigérienne Raoul Folero, une association très engagée dans la lutte contre la lèpre au Niger. Monsieur Abdelaziz Harouna, bonsoir. Bonsoir. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji au Niger dans le but de contribuer à la lutte contre la lèpre. Les lépreux ont élu en leur sein des chefs traditionnels ou Saïtien qui sensibilisent sur la maladie. Alignali, le troisième de ces chefs au Niger, témoigne au micro de Studio Kalangu. Vraiment, auparavant, nous avons souffert beaucoup. Moi, j'ai même eu la cassure du nez. C'était à deux ans du régime de Kunche. Mais maintenant, les Blancs ont amené le remède pour guérir la lèpre, car si toutefois la personne atteinte se présente euh, dans une formation sanitaire à temps, si elle reçoit les soins y afférents, en tout cas, il est difficile de se rendre compte euh, qu'il est atteint par la lèpre même dans un milieu. Toute personne euh, nouvellement atteinte qui a constaté les premiers signes de cette maladie et qui néglige de se rendre à une formation sanitaire, eh bien, pour la suite, ce qui va advenir après, il n'a qu'à se prendre de lui-même. Donc, il est nécessaire et même impératif que dès lors qu'une personne constate les premiers signes de la lèpre, d'aller se faire c'est cela l'appel que je lance à toute personne atteinte de cette maladie. C'est de se rendre au dispensaire et prendre ses médicaments. Y a-t-il des personnes qui préfèrent prendre les soins traditionnels Que dites-vous par rapport à cette option Ah non Si toutefois une personne reçoit les soins médicaux, je pense qu'il n'a pas besoin d'autres soins traditionnels. Parce que si les soins traditionnels peuvent réellement guérir, mon cas ne serait pas comme ça. J'ai fait un traitement traditionnel pendant quatre mois depuis le régime de Contier. Aucune amélioration n'a été constatée. Alors donc euh, la meilleure solution, c'est de se faire un traitement médical. D'ailleurs, sur toute l'étendue du territoire du Niger, il y a les soins médicaux de la lèpre et c'est gratuit. Toutefois que l'examen indique que la personne est atteinte, instantanément, on lui inscrit des produits de soins gratuitement. Docteur Gado Moussa, dermatologue, euh, coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre euh, au Niger. D'abord, la lèpre, qu'est-ce que c'est Merci, monsieur Michel. La lèpre, c'est une maladie et Le microbe qui cause la lèpre est appelé le Mycobacterium lépré ou le mhm. bacille de Hansen. C'est une bactérie. C'est une bactérie mhm. appartenant à la famille des mycobactéries. Mhm. Donc, euh, ce bacille a été découvert en 1873 par un médecin norvégien appelé Hansen, Armoyer Hansen. Donc, d'où le nom du bacille de Hansen. Donc, euh, c'est une maladie qui atteint essentiellement la peau mais aussi certains nerfs périphériques, mhm. tels que euh, les nerfs au niveau du visage, mhm. au niveau des membres supérieurs mhm. et au niveau des membres inférieurs. l'atteinte neurologique euh, de cette maladie fait toute la gravité de la lèpre à cause des complications et des séquelles invalidantes que cette maladie pourrait entraîner. Lorsque la personne euh, touchée n'est pas vite prise en charge, c'est ça Effectivement. Et un cas de lèpre prise en charge rapidement mhm. va éviter eh, la survenue de ces complications-là et de mhm. ces séquelles. Mhm. Par contre, si elle n'est pas prise en charge rapidement, eh, dans 20 à 40 des cas, eh, le, malade peut s'exposer à ces complications neurologiques-là, les, névrites et les réactions, qui vont par finir détruire toutes les fibres nerveuses qui composent le nerf. Mhm. Donc ces fibres nerveuses, et, ils ont trois fonctions. il y a une fonction euh, de sensibilité, mhm. il y a une fonction de motricité, mhm. c'est-à-dire les mouvements, et une fonction de trophicité, c'est-à-dire la qualité même de la peau. Et les fibres-là ne sont pas euh, atteintes euh, en même temps. Et dans la lèpre, les fibres sensitives sont les, premiers, les premières fibres qui sont atteintes euh, dans la lèpre, de telle sorte que au niveau des yeux, vous, allez observer une diminution de la sensibilité de la cornée. Et au niveau des mains, vous avez euh, les territoires euh, au niveau des paumes des mains. Il y a trois, nerfs qui partagent le territoire des mains, de la paume des mains. Il y a le nerf cubital mhm. qui prend à partir la face palmaire du cinquième doigt mhm. et la moitié du quatrième doigt et la partie de l'éminence hypothénaire. Mhm. Donc les troubles de la sensibilité vont se trouver au niveau de, de, cette partie de la paume des mains. Au niveau du nerf médian, le deuxième nerf, il s'agit essentiellement euh, des autres doigts, euh, la partie palmaire des, des autres doigts, mhm. donc euh, de la moitié du quatrième jusqu'au niveau du pouce. Donc voilà, l'atteinte des fibres sensitives va entraîner les troubles de la sensibilité de ces parties-là. Et le troisième nerf, c'est un nerf moteur essentiellement qu'on appelle le radial moteur, mais qui n'a pas une fonction sensitive, mais plutôt une fonction motrice. Mhm. Et l'atteinte de la motricité au niveau euh, du visage, c'est essentiellement les paupières. Mhm. Les paupières et également la bouche. Mhm. Donc, euh, vous pouvez assister à des paralysies au niveau de la bouche, du visage, mais également au niveau des muscles des paupières qui mhm. restent euh, ouvertes. Donc les yeux restent ouverts souvent quand il y a une atteinte de ces muscles des paupières-là et le, malade ne pourra plus euh, fermer les yeux mhm. et il va être sujet à des infections à répétition au niveau de l'œil et finalement aboutir même à une perte de la vue au niveau de ces yeux-là. Mhm. Et au niveau de la main, les troubles euh, moteurs, c'est-à-dire euh, la motricité des mains, mhm. vont entraîner souvent des paralysies, mhm. que ce soit au niveau du territoire du cubital, c'est-à-dire le, cinquième doigt et le, quatrième, et également une paralysie des autres doigts quand il y a une atteinte du nerf euh, médian. Mhm. En ce moment, vous allez constater que les, gens vont développer souvent ce qu'on appelle des griffes. Les, les, les doigts vont s'incurver en flexion permanente mhm. et qui finalement vont aboutir à, à ce qu'on appelle à des amputations mhm. euh, de ces doigts-là. Au niveau. Euh, c'est d'ailleurs l'un des cas les plus visibles. Les plus visibles. De la ce, sont, ce, qu'on appelle les infirmités. Un bras qui est vraiment invalide. Voilà, les infirmités de degré 2. Déjà, mhm. dès qu'on constate à vue vue ces infirmités-là, on les observe et on classe le malade parmi les infirmes de, de degré 2 quand ce n'est pas visible, c'est le degré premier. Le degré 1. Mhm. Voilà, quand il n'y a plus d'infirmité, on appelle degré 0. Mhm. On va arriver à la classification de ces infirmités-là. Mhm. Donc, toujours au niveau de la main, l'atteinte euh, motrice du nerf radial va entraîner euh, ce qu'on appelle la main tombante. Vous allez constater que les malades ont la main comme ça. Donc, cette main n'est plus fonctionnelle parce qu'il n'y a pas possibilité de faire la dorsiflexion pour prendre des objets et euh, autres. On descend au niveau des membres inférieurs. Les membres inférieurs, il y a deux nerfs euh, principaux, mhm. et, dont euh, le premier est surtout palpé au niveau euh, du sciatique poplité externe, c'est-à-dire au niveau du creux poplité. Mhm. Et ce nerf a essentiellement une fonction de motrice qui permet la relevation du pied, mhm. c'est-à-dire la marche. Et si ce nerf est endommagé, vous allez constater qu'il y aura un steppage, une boiterie à la marche. Et finalement, euh, c'est un pied qui, qui va être euh, pas du tout fonctionnel. Et le deuxième nerf au niveau euh, de, du membre inférieur, c'est le nerf tibial postérieur. Mhm. Le nerf tibial postérieur, c'est un nerf sensitif qui permet et la sensibilité de la plante du pied. Mhm. Quand il y a un dommage au niveau de ce nerf-là, vous avez les territoires de la plante du pied qui se deviennent insensibles. Mhm. On par exemple, on piétine euh, une épine, on ne sent rien. On se fait brûler par le feu, on ne sent rien. Le lépreux ne constate rien. Il ne constate rien. Mhm. Finalement, on constate le dégât qui est déjà fait et au fur et à mesure, c'est les infections à répétition de ces plaies-là mhm. qu'on appelle les, les maux perforants plantaires. Mhm. Souvent, le malade a tendance à les cacher dans des chaussettes qui deviennent très, très nauséabondes. Mhm. Voilà. Merci pour euh, cet éclairage, Dr euh, docteur euh, Gado Moussa. Je rappelle que vous êtes dermatologue et en même temps coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre au Niger. Monsieur Abdelaziz Haguna, vice-président de l'association nigérienne Raoul Foleo. Que faites-vous sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation des populations nigériennes euh, sur euh, cette maladie, la lèpre Ok, merci. Donc, euh, l'association nigérienne Raoul Folero, donc, c'est une organisation à but non lucratif qui mhm. œuvre donc pour la promotion des droits, mhm. donc la réinsertion socio-économique des malades guéris de la lèpre mhm. et la lutte contre donc les barrières de l'exclusion. Mhm. Euh, donc, euh, le sigle, c'est l'ANRF. Mhm. Notre association a été créée donc, euh, en janvier donc, 90 donc, par arrêté ministériel. nos principales actions, donc, c'est la sensibilisation donc, des populations sur le phénomène de la, lèpre, mhm. et l'accompagnement donc, des anciens malades guéris donc, pour leur autonomisation. Donc, euh, par rapport à la sensibilisation, donc nous mettons généralement... Les anciens malades guéris, degré 1, degré 2, les deux euh, oui, les deux à la fois, donc euh, mhm. tous les anciens, bon, généralement c'est le degré D parce que c'est eux donc, qui sont vraiment donc, euh, euh, visibles, quoi. ceux qui sont vus mm-hmm. donc, euh, ici. Donc, ceux qui, de degré 1 là, on ne les remarque même pas. Mm-hmm. donc, Bien sûr. Docteur Aya l'a expliqué, on est lépreux degré 1 lorsqu'on ne peut pas constater les signes. Oui, on ne peut pas constater les signes. Il y a beaucoup mm-hmm. de gens qui ont contracté la maladie aujourd'hui, mais on, ne sait pas. Ah, parce qu'ils sont degré 1, ils sont guéris. Ils sont complètement guéris. Donc, c'est tous les degrés 2, même lorsque la personne est guérie, il y a des séquelles qui restent. Il y a des séquelles qui restent. Mhm. Donc, euh, principalement, donc, euh, ils sont basés au niveau du, quartier Kouarategui. Bien sûr, c'est là-bas d'ailleurs que euh, nous avons interviewé le chef. nos principales actions, donc, c'est la sensibilisation mhm. et l'accompagnement, donc, des anciens malades guéris pour mhm. leur autonomisation à travers donc des activités génératrices de revenus. nous, appuyons aussi ce qu'on appelle les grabataires. Donc, c'est-à-dire que c'est des anciens malades guéris, mais qui sont âgés donc, et qui ne qui sont euh, euh, totalement euh, improductifs, donc qui ne peuvent rien faire. Avec le programme, il faut ce qu'on appelle donc les spots de sensibilisation. Docteur P, vous donner plus de détails sur mhm. les spots là. Donc, Mais vous-même, vos actions de sensibilisation, c'est quoi Les cibles également Les cibles, nous, nos, principaux cibles, ce sont donc les anciens malades guéris. Donc, on va sur le terrain, notamment avec nos moyens limités. Mhm. Donc, on, nous, n'a pas pu faire le tour de tout le Niger. On va mhm. seulement donc, aux endroits qui nous sont accessibles, mhm. euh, puisque les moyens logistiques nous font défaut. Euh, avant, on partait au niveau des CSI. Donc, euh, avant le début des consultations, pour 10-15 minutes, parler aux patients qui sont venus donc, pour des consultations, les parler de la lèpre, des signes de la lèpre, dire que euh, c'est pas une maladie euh, euh, comme les gens le pensent quoi donc de malédiction par de exemple. malédiction et autres là donc on, leur parle de ça leur dire que quand la personne donc prend une fois donc la dose, elle, ne pourra plus contaminer. Ça c'est par rapport au traitement. Par rapport au traitement. Donc mhm. on fait donc la promotion du, traitement aussi donc de la mhm. Euh, on partait aussi donc euh, dans les quartiers, euh, souvent surtout au quartier Quartegui, mhm. et nous mettons surtout à profit la journée mondiale pour sensibiliser parce que ce, vraiment euh, un, créneau donc, euh, qui est donné. La journée mondiale de lutte contre la lèpre qui est donc euh, célébrée le dernier dimanche, du mois de janvier de, chaque, année. Cette année, c'est donc le, 30, hein. janvier 2022. C'est célébré à travers le monde. Mhm. Mais ici au Niger, ici nous avons différé cette journée cette année. Donc il n'y a pas eu au Niger de célébration il officielle. De ça sera célébré donc, le 20 mars. Ça sera célébré plus tard donc le, 20 mars. le 20 mars. Inch'Allah. Donc pour permettre à slogan cette année, c'est vaincre, la, lèpre, c'est possible. C'est possible. Mhm. C'est juste une question de volonté. Mhm. C'est une question de volonté et de moyens. moyens. Mhm. Voilà. Vous en convenez, euh, on peut arriver à vaincre la lèpre euh, complètement, c'est-à-dire parler de ce qu'on appelle l'élimination, zéro cas au Niger. on peut arriver à cela. Nous pensons qu'on peut arriver à cela. Avec la volonté, comme on l'a dit, on pourra, euh, quand on mettra plus de moyens, on mhm. pourra arriver, un jour à éliminer donc, la lèpre au Niger. Le slogan, docteur, vaincre la lèpre, c'est possible. Vous en convenez, comme a eu à le dire le vice-président de l'association <coughs> euh, nationale Raoul Folero. Oui, comme le disait le président du directoire euh, de mhm. la fondation Raoul Folero, euh, M. Oleg Ous, mhm. je crois que c'est dans un combat mondial global, du global partenaire pour euh, zéro lèpre d'ici 2030. Mhm. Et ceci est possible. Zéro lèpre d'ici 2030, c'est-à-dire conforme aux ODD. Ceci est possible, mais mhm. euh, nous avons euh, quand même l'expérience dans, dans, la lutte contre la lèpre qui fait que, bon, on note beaucoup de, le problème de sous-financement mhm. de la lèpre. C'est un problème mondial, dans mhm. tous les programmes. Mhm. Ah, en plus, euh, la COVID-19 est venue encore perturber davantage euh, les, actions. Et cela est possible si toutefois euh, le programme est accompagné dans ses actions. Parce que nous avons remarqué que durant les toute la, durée de, cette lutte, nous avons accès eh, à la formation des agents de santé mhm. qui font ce qu'on appelle le dépistage passif. Mhm. C'est-à-dire, c'est l'agent conforme à, la prise en charge, au diagnostic et à la prise en charge de la lèpre et qui attend dans son centre de santé le malade mhm. pour pouvoir le dépister et également le déclarer comme un nouveau cas de lèpre. Et nous avons constaté que cela ne marche pas parce que ça a été toujours euh, et tout le temps euh, ces stratégies-là. Par contre, euh, ces dernières années, nous avons eu à développer ce qu'on appelle les stratégies innovantes. Mhm. D'abord, c'était le dépistage de masse. Le dépistage de masse, c'est une équipe de spécialistes en dermato qui se permettent d'aller au niveau des villages endémiques. Mhm pour faire des séances de consultation en dermatologie et pouvoir euh, dépister les cas de lèpre. Ça, c'était, on la, pratique depuis un, peu plus euh, longtemps. Mhm. Par contre, ce qu'on appelle euh, l'examen des contacts des malades, mhm. c'est-à-dire tous les cas index, c'est-à-dire les, cas lépreux, vont être identifiés. Mhm. Et à partir de ces cas lépreux-là, on va développer une nouvelle stratégie qui qui permet d'investiguer ces cas. Mm. C'est-à-dire aller dans leur famille, aller au autour de l'entourage familial, organiser ces consultations et pouvoir également eh, voir ceux qui sont euh, des cas de lèpre réellement. Mm-hmm. Voilà. Donc cette stratégie est la plus adaptée. Mm-hmm. Elle est la plus adaptée pour arriver à l'arrêt de la transmission de la lèpre. Mm-hmm. Parce que tout ce qu'on rapporte depuis un certain temps, quelques années, c'est vraiment, ça ne reflète pas l'incidence réelle de la lèpre. Mhm. C'est ce qu'on appelle la détection, c'est-à-dire le nouveau cas de lèpre rapporté chaque année, c'est ce qu'on appelle la détection. Pour la différencier de l'incidence, l'incidence qui est le nombre réel de cas de lèpre mhm. dans la communauté. Mhm. Nous allons revenir euh, justement <coughs> sur les chiffres euh, par rapport à ça, mais parlons d'abord euh, du traitement, docteur. Comment se fait le traitement Et bien avant cela même, quels sont les signes annonciateurs de la lèpre et qui doivent conduire au dépistage Au début de la lutte, il y avait ce qu'on appelle la monothérapie, la mhm. dapsone. C'est une molécule unique qu'on utilise pour le traitement des cas de lèpre. Mhm. Aujourd'hui, depuis 1981, mhm. l'OMS a recommandé ce qu'on appelle la polychimiothérapie. Cette polychimiothérapie, en plus de la dapsone, vous avez la, rifampicine mhm. et la clofazimine. Qui veut dire l'association, l'association dapsone, voilà. D'où polychimiothérapie. Mhm. Rifampicine, dapsone, clofazimine. Donc, ce médicament est efficace à 100% pour traiter les cas de lèpre. Ça veut dire les personnes qui les prennent guérissent au bout de combien de temps Guérissent euh, en fonction de la forme de lèpre. Ces personnes guérissent en, 6 mois à 12 mois. Mhm. Et le médicament, on le prend chaque jour Chaque jour, chaque mhm. jour, le médicament. La rifampicine se prend une seule fois par mois. Mhm. Par contre, la dapsone et la clofazimine, se prend euh, tous les jours. Mhm, tous les jours, donc euh, le mode de traitement actuel, c'est tous les jours, chaque jour il faut prendre. Voilà, chaque jour il faut prendre. Euh, ou l'association de ces médicaments, c'est ça. Chaque jour il faut prendre cette association. Jusqu'à six mois. Pendant six mois pour les, les formes peu contagieuses, qu'on mhm. appelle les formes possibacillaires, bacillaires, mhm. c'est 6 plaquettes qu'il faut prendre entre 6, mois à 9 mois. Ah, donc ça peut aller au-delà Ça peut aller au-delà de 6 mois. 9 mois. Voilà. Mhm. de, entre 6 mois et 9 mois, quand la personne arrive à prendre ces six plaquettes euh, pour les formes possibacillaires, on considère que cette, euh, cette personne est guérie. Et pour les formes multibacillaires, c'est-à-dire qui, qui ont beaucoup plus de tâches ou de bacilles dans leur corps. Ça veut dire le degré 2 Non, pas le, on n'est pas encore au, degré. Mhm. on, nous sommes dans la forme simple. La, forme simple. Mhm. Donc, pour ces formes multibacillaires-là, et d'ailleurs, c'est les plus, euh, les plus nombreux, mhm. nous sommes autour de 85% de, ces formes-là au Niger, il faut donner 12 plaquettes entre 12 et 18 mois de traitement. Donc, si euh, le malade arrive... à un an et demi. Voilà. Si le malade arrive à prendre ces 12 plaquettes entre... Euh, 12 euh, à 18 mois, on considère que c'est un traitement adéquat et mhm. on considère que la personne est guérie. Mais comment la lèpre est dépistée Les signes annonciateurs, c'est quoi ici Les signes annonciateurs, vous savez, la lèpre, c'est aussi en médecine une grande simulatrice, mhm. euh, que ce soit des signes cutanés que mhm. des signes neurologiques. Donc, c'est une grande simulatrice. Les premiers signes de la lèpre, ce sont les taches. Les taches qui sont sur le corps, ces taches sont claires rougeâtres. Mhm. Et parfois, elles peuvent être insensibles. Mhm. c'est Ce n'est pas dans tous les cas que ces taches-là sont insensibles. Mhm. Il y a des formes où on peut trouver la sensibilité. Donc, c'est surtout les taches, les premiers signes de la, de la lèpre. Après, vous allez constater également des, des boutons. Les boutons arrivent surtout dans les formes multibacillaires. On appelle les formes lépromateuses, qui sont très contagieuses. Donc, en dehors de ces boutons et de ces taches-là, vous pouvez avoir aussi des signes neurologiques. Hmm. Les signes neurologiques, le premier signe neurologique, ça, c'est le gonflement des nerfs. Hmm. Vous savez, les nerfs passent à travers des gouttières osseuses, hmm. au niveau, que ce soit au niveau du visage, au niveau du coude, au niveau du poignet, au niveau du, du creux populité ou mm-hmm. au niveau de, du pied. Mm-hmm. Donc, en passant dans ces gouttières-là, le nerf qui est gonflé peut être victime euh, de réactions. Mm-hmm. Ces réactions-là détruisent le nerf. Et vous allez, on est en, cheminement vers les conséquences de l'atteinte neurologique là qu'on appelle les névrites. Et les névrites vont donner les, complications, les séquelles invalidantes. Donc ce sont là les signes qui montrent que la personne doit aller vite euh, se faire au dès les premiers signes, les signes euh, cutanés, mhm. il faut les suspecter d'abord. Par exemple, ah. un citoyen, quel est le signe que dès qu'il voit, il peut conseiller à la personne d'aller dans un centre de santé Il faut conseiller tout un chacun qui présente des tâches claires. Mhm. Des tâches claires ou des boutons qui ne sont pas douloureux ou qui ne sont pas, qui ne démangent pas. Mhm. Souvent, ce sont les, formes de... Qui ne démangent pas, ça veut dire ça ne gratte pas Ça ne gratte pas. Donc, euh, il faut suspecter mm. et la lèpre quand vous avez devant ces signes-là, mm. ces signes cutanés. Mais également quand vous êtes atteint d'une inflammation du nerf. Mm-hmm. Souvent, eh, ce sont des douleurs au niveau des trajets nerveux mm-hmm. eh, qu'on peut constater. Et ces douleurs nerveuses-là, c'est la névrite qui commence déjà en ce moment. Vous aurez constaté que 30% des fibres nerveuses dans la névrite sont déjà détruites. Mm-hmm. Donc il faut vite, vite, vite arriver au centre de santé pour une prise en charge de cette névrite-là. Mhm. Pas pour le traitement spécifique de la lèpre, mais pour sauver le nerf, mhm. il faut faire un traitement spécifique de la névrite. Mhm. Donc, euh, tous les centres de santé en disposent la prénisolone. Donc, en voyant cela, il faut vite recommander à la personne d'aller se faire traiter. Sinon, la personne risque d'avoir des séquelles graves, puisque ça peut conduire euh, au deuxième degré de la lèpre, c'est-à-dire à, un moment où les signes sont bien visibles et on ne peut pas les réparer. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui naissent avec, euh, docteur, la lèpre Des personnes lépreuses à leur naissance eh, Il n'y a pas de, lèpre congénitale, mm-hmm. il n'y a pas de lèpre liée à la naissance, mm-hmm. parce que la lèpre n'est pas héréditaire, mm-hmm. il faut le savoir on l'a dit, c'est une maladie infectieuse. C'est une maladie infectieuse, c'est un microbe mhm. qui attaque. Euh, une bactérie ici. Euh, voilà, qui attaque la peau. Mhm. Et à la naissance, l'enfant ne peut pas, parce qu'il n'y a pas de, de, de, transport euh, du microbe du sang à l'enfant. Mhm. C'est juste par le contact. Mais une fois qu'il faut. Dans son environnement de vie. Voilà, l'environnement de vie est pollué par le bacille. En ce moment, l'enfant qui a le jeune âge peut être rapidement victime de, de, cas de lèpre. Mhm. Voilà. Dans ce cas précis, on ne dira pas que l'enfant l'a hérité, mais ça a été une maladie acquise, à très bas âge. Contre, dans les premières semaines peut-être. Comme, l'immunité de l'enfant est, très fragile, faible et fragile, à ce, niveau, il va rapidement développer les signes de la maladie. Mhm. Par contre, chez certaines personnes, vous allez une longue période d'incubation qui va de 20 ans jusqu'à 30 ans avant de commencer à développer les signes. Merci beaucoup, Monsieur Abdelaziz Haruna, vice-président de l'association nigérienne Raoul Folero. Euh, est-ce que ces signes annonciateurs sont connus par euh, les populations nigériennes je dirais, euh, en partie. Parce que euh, dans le cadre de nos sensibilisations, nous sommes arrivés en accord avec euh, le ministère donc, euh, de l'enseignement secondaire, maintenant c'est le ministère de l'éducation nationale. Avant c'était le ministère de l'enseignement secondaire. On est arrivé à avoir un accord avec le ministère mhm. ou à la veille de la journée, mhm. donc les signes que le docteur vient de décrire là, nous avons sera euh, un papier. Mhm. Donc, euh, c'est un message de sensibilisation d'une demi-page mhm. donc euh, que nous avons soumis donc, à l'appréciation des techniciens. Mhm. Et ce message-là, nous l'avons déposé donc, au niveau du ministère. Et ce message-là est donc reproduit donc et envoyé dans tous les établissements secondaires du Niger et ce message à la veille de la journée donc le, le 30 Mhm. Donc ces messages-là devraient être lus dans tous les établissements secondaires du Niger mhm. à la première heure. Mhm. Avant que les procès ne débutent le cours, on donne une copie du message à chaque enseignant qui va en classe et avec, ça, il commence. Il a 10 minutes pour présenter donc, ces messages-là. C'est la stratégie de lutte que vous avez proposée proposé au gouvernement à travers le ministère, des, Enseignements secondaires. Pour pouvoir orienter aussitôt donc, euh, les personnes chez qui ils auraient décelé donc, euh, les signes-là, mhm. les orienter vite vers les centres de santé. Mhm. C'était ça donc, euh, le but donc, de ces messages là mhm. Donc, quand ils vont, on va passer les messages. Les, les secondaires, là, c'est des Mhm. C'est donc, vrai, quand il y a un cas de hmm? lèpre, quand c'est détecté très vite, ça permet à l'État de maîtriser la lutte. c'est comme le verre de Guinée, où on a vu, mhm. euh, on propose même des enveloppes pour les personnes qui viennent signaler les personnes euh, qui portent cette maladie. En tout cas, nous, notre euh, idée, donc, c'est de mettre ce genre là en contribution mhm. dans la lutte contre la lèpre en tant qu'à euh, ils apprendront donc euh, les signes là. Mhm. Donc, ils pourront facilement les euh, déceler, même entre eux, même quand ils vont. Donc, je, vous dis, je vous dis que ça sera dans, tous les établissements secondaires du Niger. Mhm. Donc, même, à l'intérieur. Même à l'intérieur. Donc, c'est pour qu'eux-mêmes arrivent à découvrir les signes là et d'orienter donc les personnes vers les centres de santé. Merci beaucoup. Mm. Parlons à présent des progrès réalisés au Niger dans le cadre de la lutte contre la lèpre et les défis qui restent à, relever pour euh, son élimination. Nous l'avons dit en introduction au Niger, selon le programme national de lutte contre la lèpre, la prévalence de cette maladie dans les centres de santé du pays est passée de 6308 malades en traitement à la date du 31 décembre 1993 à 277 euh, en 2020. Docteur euh, Gado Moussa, coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre au Niger, existe-t-il de nouveaux chiffres sur la prévalence de la lèpre au Niger Oui, comme M. Euh, Monsieur Michel, vous l'avez rappelé, mhm. au début du programme euh, qui a été créé en 1992, mhm. donc nous avons le chiffre de la prévalence en fin d'année 93 qui était de 6800 et 6308 malades en traitement, c'est-à-dire mhm. les malades qui restent en traitement. Mhm. et euh, à la fin de 1993, en 2020, mhm. nous avons 295 malades en traitement. Euh, à la fin de l'année 2020. Euh, les 277, c'est quoi alors Ce sont les nouveaux cas. Les nouveaux cas. la détection. Mhm. Voilà, il y avait donc 277 euh, nouveaux cas détectés en 2020, Mais ce qui faisait passer le nombre de personnes en traitement à 295, c'est ça C'est ce qu'on appelle la prévalence en fin d'année. Mhm. Ce sont les malades qui restent en traitement, qui ne sont pas guéris. Qui ne sont pas guéris. Voilà. Mhm. Donc, ces 295 malades en traitement là, qu'on appelle la prévalence, mhm. ils vont continuer le traitement dans la nouvelle année, c'est-à-dire 2021. Mhm. Donc, ils vont s'ajouter à la détection au nouveau cas de 2021. Mhm. Nous, avons, nous sommes sur la rédaction du rapport de 2021, mais j'avais déjà jeté un coup d'œil hier sur euh, le nombre de nouveaux cas de 2021, de 2021 qui était on n'a pas pu avoir accès voilà, à ça 303 nouveaux cas. Il y a eu donc 300, augmentation. Il y a eu 303 nouveaux cas de lèpre au Niger. En 2021. En 2021, alors qu'en 2020, il n'y mhm. en avait que 277 euh, nouveaux cas. Voilà. Ça veut dire que euh, jusque-là, nous avons des nouveaux cas de, lèpre. Voilà. Le nombre de, et, ça, grâce, nouveaux cas ne font grâce aux interventions, Voilà. Grâce aux interventions de dépistage de masse et mhm. également de l'examen des contacts des cas index. Mhm. Voilà. Mais les dépistages on les fait où Les dépistages, euh, euh, on regarde le rapport annuel euh, et on, se dit, bon, tel ou tel CSI a rapporté tel nombre de cas mhm. et ces cas-là sont en provenance de tel ou tel village. Mhm. Donc, on peut se proposer de mener des investigations à travers les dépistages de masse mhm. dans ces villages éloignés-là. Par exemple, le dépistage, est-ce qu'il est gratuit Le dépistage est gratuit. On se propose d'aller avec une équipe de dermatologues et une équipe de dermatologues avec quelques... Le pays est très vaste. Euh, Parfois, nous avons des zones très reculées où il n'y a qu'un CSI. Est-ce que, par exemple, partout où la personne se trouve, eh si euh, le citoyen part au niveau d'un CSI, on va lui faire ça gratuitement Vous comprenez la nécessité des moyens. 1,267,000 1 km carrés pour une population qui est environ, 22, 23, millions en 2000. Voilà. Mhm vous, imaginez, s'il faut aller partout, mhm. c'est qu'on peut euh, euh, mobiliser. Donc la gratuité au niveau du dépistage, c'est beaucoup plus au niveau des centres dermatologiques, c'est ça Bon, si on se propose d'aller, c'est sous financement d'activités des partenaires. Mhm. Ah bon, si on se propose, il vous arrive d'aller à l'intérieur du pays pour faire ces dépistages gratuits, des dépistages pour, de pour la population qui vont bénéficier de soins euh, spécialisés et de mhm. qualité. Et vous prenez en charge les nouveaux cas. Les nouveaux cas de lèpre et les dermatoses courantes qu'on mhm. aura rencontrées. Donc c'est grâce à ces différentes campagnes de dépistage que vous avez pu détecter et, les le deuxième, La deuxième stratégie, mhm. c'est l'examen des contacts des malades. Donc on se dit voilà, M. Eh, monsieur Michel est atteint de la lèpre, par exemple. L'entourage. Maintenant, je dis à Monsieur Michel. Ok, Monsieur Michel, vous avez les membres de votre famille, c'est combien les, mhm. contacts directs euh, de la cellule familiale. L'épouse, les, enfants, les cousins, machin, tout ça. Mhm. Et après, autour de votre euh, cellule familiale, euh, pouvez-vous nous dicter mhm. les, éléments et c'est sur la base de Sur la base de, ce qu'on appelle les contacts, on se propose d'aller autour de ces contacts-là, les examiner un a un, et pouvoir également euh, déceler la lèpre. Mais docteur, euh, quelle analyse faites-vous de ces chiffres 303 nouveaux cas de lèpre au Niger en 2021 contre 277 euh, en 2022. On voit qu'il y a beaucoup plus de cas, mais ces cas, lorsqu'on les compare aux autres pays au plan régional et peut-être même mondial, quelle lecture en faites-vous Est-ce qu'on fait partie des pays qui ont les plus faibles taux de prévalence de la lèpre euh, effectivement, le Niger fait partie des pays à faible endémicité, mhm. donc euh, faible taux euh, de détection, 300 mhm. cas. En 2002 déjà, il y a eu l'élimination en tant que problème de santé publique. C'est-à-dire qu'à partir de 2002, on avait moins d'un cas pour, 10 000, habitants, pour l'ensemble du pays. Mhm. Voilà. Maintenant, ce qu'on n'a pas atteint, c'est le nombre de cas, le nombre de cas rapportés à la population générale uh-huh. est moins d'un cas en 2002. Ça veut dire là, on n'est plus dans une situation de santé publique. Oui, mais attends, attention. Uh-huh. Moi, ce terme d'élimination en tant que problème de santé publique, ça m'a beaucoup un peu tiqué uh-huh. parce que eh, eh, dans la dans la conception des choses, c'est comme si la lèpre ne constitue pas un problème. Or, en réalité, ce n'est pas la fin de la lutte et parfois même on n'arrive pas à détecter tous les cas Bien sûr, mhm. l'incidence réelle, je vous ai dit que l'incidence réelle de la lèpre n'est pas connue dans tous les mhm. pays. Mais au Niger, par exemple, on ne peut pas parler d'élimination, n'est-ce pas Puisque on ne parle pas d'élimination. Nous sommes dans la voie de l'élimination. Mhm. Nous sommes dans la voie de l'élimination. Et ça a été projeté jusqu'en 2030. Donc l'élimination, c'est lorsqu'on aura 0 cas, de, lèpre au Niger d'ici 2030. Dans le cadre des ODD. Et, l'éradication, c'est quoi Bien sûr, quand vous entendez parler d'éradication, c'est au plan mondial. Si au plan mondial, eh, eh, tous les programmes mhm. euh, mondiaux ont rapporté 0 cas, on se dit qu'on a éradiqué la lèpre. Mhm. Mais au plan national, on parle d'élimination tout court. 0 mhm cas de lèpre d'ici 2030, si l'objectif est, atteint, mhm. on dira que le Niger a éliminé la e éliminé lèpre. La e Merci beaucoup, Monsieur Abdelaziz Harona, vice-président de l'association nigérienne Raoul Folero, une euh, association qui contribue donc à la lutte contre la lèpre au Niger. Monsieur le vice-président, selon vous, quels sont aujourd'hui les grandes avancées enregistrées par le Niger dans le cadre de la lutte contre la lèpre Oui, les grandes avancées, il y en a eu euh, comme le disait tout à l'heure donc euh, docteur, donc euh, on est sur la voie de l'élimination mhm. donc de la lèpre. donc il y a eu des progrès, on peut dire. Il y a eu des progrès. parce que les progrès vont continuer mhm. avec l'engagement du programme. Mais il y a un petit paradoxe là. Il vient de dire que par exemple en 2020 nous avons eu 277 cas nouveaux cas donc, alors qu'en 2021, il y a eu 303 nouveaux cas. Il y a eu plus de nouveaux cas, par exemple, en 2021 qu'en 2020. Oui, parce que ça, peut-être, c'est des cas euh, à apportés, comme on dit. Mm. Souvent, c'est, il vient du Nigeria. Mm-hmm. Donc, euh, pour, euh, comme, même, une fois dans les échanges, que souvent c'est des cas rapportés. Mhm. cest Donc qui viennent euh, d'ailleurs. D'ailleurs, pas. on a dit d'ailleurs que l'éradication c'est au niveau mondial. Au niveau mondial. Tant que tous les autres pays n'arrivent pas à éliminer, ah. on ne peut pas arriver à l'éradication. À l'éradication. Euh, mais sinon, euh, euh, parce qu'il y a eu des grandes avancées mhm. donc, euh, ici au Niger, mhm. même sur le plan social où nous nous œuvrons <coughs> dans la lutte contre les barrières sociales, c'est-à-dire la discrimination, euh, la stigmatisation mhm. surtout, même sur ces plans, on, constate vraiment donc une avancée. Il y a moins de donc, discrimination et moins donc, de stigmatisation. Maintenant, par rapport à la prise en charge de la maladie, E-, est-ce que vous trouvez que les personnes arrivent à avoir accès gratuitement à cette prise en charge selon vous Oui, nous témoignons cela parce que nous, notre siège même se trouve au niveau du Centre national dermatolèpre. Nous observons et nous constatons la prise en charge est 100% gratuite. Oui, c'est ce qui est euh, dit, mais dans l'effectivité, est-ce que cette prise en charge à tous les niveaux, elle est gratuite Elle est gratuite parce que les produits sont disponibles. Les médicaments sont, mis gratuitement, à la, disposition, des, malades, c'est ça Oui, des malades. Mhm. les, ça, nous pouvons témoigner, les médicaments sont mis gratuitement à la disposition des malades partout euh, sur le territoire. Mhm. Et quels sont aujourd'hui les grands défis qui restent à relever pour une meilleure euh, élimination de la lèpre au Niger non, le défi, c'est la sensibilisation. Mhm. Euh, parce que si les gens ne sont pas informés, mhm. donc c'est là le problème va se poser. Donc, euh, nous, allons continuer la sensibilisation à tous les niveaux, euh, avec l'appui de nos partenaires. Mhm. Inch'Allah, donc, sinon, sur le plan sanitaire, là, le euh, docteur vous dira euh, le défi à relever. Mhm. Mais sinon, sur le plan social, le grand défi, c'est la sensibilisation parce que mhm. euh, c'est l'information. Mhm. Surtout si l'information. pour se faire soigner, mais également la question de la stigmatisation des personnes touchées par cette maladie, c'est ça? Parce que grâce aux sensibilisations que nous menons, c'est surtout l'hygiène corporelle. Donc, quand la personne donc, vraiment donc, s'entretient bien, donc, euh, il ne sera, elle ne sera pas donc stigmatisée, et donc euh, elle ne sera pas donc euh, discriminée, parce que nous nous œuvrons pour leur autonomisation aussi. Mhm. quand on a une situation, ça veut dire que la société a un regard positif. Oui, envers la personne. Mhm. Merci beaucoup, docteur Gado. Pour terminer, c'est vrai, on voit que les personnes touchées ou on dirait affectées par cette lèpre, on les isole vraiment. Est-ce vos recommandations que dès qu'on constate qu'une personne est lépreuse, elle doit être mise de côté Pas du tout, mhm. sinon on n'aura pas atteint l'objectif euh, des zéro transmission. Mhm. Et il faut savoir que euh, l'objectif global, c'est de, de zéro cas, mhm. mais également zéro infirmité et zéro stigmatisation. Est-ce qu'on peut arriver à ça Par exemple, pour ceux qui prennent bien leurs médicaments, est-ce qu'on peut arriver à une guérison complète euh, pour les cas qui ne sont pas déjà arrivés au degré 2 vous savez, la guérison complète, euh, c'est un tout aussi. On ne mhm. peut pas arriver à la guérison complète, mhm. euh, puisque dès que les infirmités de degré sont installées, souvent, et, euh, rarement ceux qui peuvent guérir, mais la plupart des degrés de, c'est de vite se faire prendre en charge. Voilà, les degrés de la plupart, ce sont des, des infirmités qui sont stables. Docteur, vous pouvez confirmer que la gratuité, elle est faite sur l'ensemble du pays, cette prise en charge la, prise en charge de la lèpre, elle est gratuite dans l'ensemble du pays. Mhm. Par contre, les stratégies mhm. de lutte contre la lèpre, toute la population n'a pas accès à ces stratégies-là. Mm. Par exemple, l'information, c'est ça Non. Par exemple, euh, le problème de l'infrastructure, de couverture sanitaire du pays. Mhm à peine 52% de la population. pas à atteindre certaines 52 de la population a accès à un centre de santé, n'est-ce pas Il y a quand même le sous-financement de la lèpre qui ne permet pas cela, mhm. n'est-ce pas On ne peut pas former tout le monde dans toutes les structures sanitaires on n'a pas la disponibilité d'un agent formé mhm. qui permet de faire euh, connaître les signes de la lèpre et pouvoir mhm. faire le diagnostic de la lèpre et la prise en charge de la lèpre. Mhm. Ça, on n'en a pas. Euh, il, faut, il faut quand même arriver à tout cela, former les agents. Nous-mêmes, pour, pour les interventions, on se propose de voir... Euh, c'est dans telle, telle zone. Docteur, rapidement, on, vous a compris. Maintenant, la pharmacopée traditionnelle, par exemple, un mot à l'endroit de ceux qui attendent leur guérison euh, des les, tradis praticiens sont le premier recours hein, euh, en mm-hmm. matière de lèpre. Mais est-ce que ça marche euh, Bon, ça, ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais il faut que qu'eux, ils prennent pour eux. Mm-hmm. Souvent, même la population connaît les signes de la lèpre, mais en mm-hmm. réalité, compte tenu de la stigmatisation, les gens refusent de se, faire consulter. Il faut donc mettre fin à cette stigmatisation. Merci beaucoup. Je considère que c'est votre mot de la fin. On vous a bien compris. Merci, docteur. Chers auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalango qui a eu pour thème Quel progrès dans la lutte contre la lèpre au Niger. Il a été dit donc qu'il y a eu beaucoup de progrès. Il s'agit notamment de la prise en charge de la lèpre qui est gratuite sur l'ensemble du pays. Le dépistage de la lèpre est également gratuit. Les médicaments sont disponibles et donc sont mis à la disposition des malades gratuitement. Les invités ont cependant appelé à une bonne prise de ces médicaments une fois que la personne se fait dépister, la personne peut être donc guérie de cette maladie qu'est la lèpre. Mais lorsque la personne n'est pas vite prise en charge, on peut arriver au degré 2, c'est-à-dire que nous pouvons arriver à un stade où nous avons des séquelles et donc des conséquences euh, sur la santé. Ce qu'il faut noter, c'est que l'élimination de la lèpre au Niger, on n'est pas encore arrivé à ça. Chaque année, on détecte des nouveaux cas. En 2021, par exemple, le Niger a enregistré 303 nouveaux cas contre 277 en 2020, alors que pour arriver à l'élimination de la lèpre, d'ici 2030, il faut zéro nouveau cas donc euh, au Niger. Il faut donc multiplier les efforts pour que nous puissions atteindre cet objectif. Nous vous remercions, chers invités, d'avoir répondu présent à cette euh, invitation du studio Kalangou. Nous étions en compagnie de Dr Gado Moussa, dermatologue, coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre au Niger, et de M. Abdelaziz Harona, vice-président de l'association nigérienne Raoul Folero, une association très engagée dans la lutte contre la lèpre au Niger. Au micro, c'était Michel Deji. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au revoir.